Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance vous le voulez, merci également de continuer à liker, de vous abonner, mais également de laisser vos commentaires. La 33e édition de la Cannes 2021, ni Cannes 2022 mais sur le papier c'est toujours 2021 Mingi am Cameroun l'équipe nationale du Sénégal logée dans le groupe B le Sénégal qui doit donc rencontrer la Guinée la ñu demain donc euh, le vendredi donc on a un deuxième match du groupe B entre le Sénégal premier de son groupe et la Guinée au même nombre de points moom am 3 points le Zimbabwe et le Malawi sont derniers mais match match est annoncé décisif le parce que gagne le match bi da qualifié directement li nga deuxième tour huitième de finale première position bi yaa première place bi en attendant le Sénégal doit faire ses preuves bien entendu Koulibaly doit jouer qui dit Edouard Mendy doit jouer euh, Mambadien doit jouer eux aussi même Ismaïla Pamata Matassa plutôt ak euh, Saliou 6, Ismaïla aussi avec Nampal Mendy ñi nga rejoindre jouer Ismaïla quant à lui mi ngi fële ci Barcelone di préparé image bi il gars problèmes indi donc c'est euh, Alice Kuto et la joue comme vous le voyez Diomansi Kamara ak Alassane Ndour ñu de boîte de nuit ci jamono joo Covid bi mi ngi équipe nationale du Sénégal mon damay une bonne information pour préciser ils ne sont pas dans le même hôtel que l'équipe nationale du Sénégal Alice qui elle a joué mi fa ay depuis plusieurs jours il a quitté donc le euh, l'hôtel Togidor nekkatu donc il est au niveau de Douala euh, Fala Nek donc euh, les faits qui moi, moi, mooy Kamara, Camara post sur Instagram selon les informations après 10 na ko affaire bi jur coow maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il El a à ak képp koo xam bëgg équipe nationale Sénégal pour vous rassurer il faut nga test PCR au préalable pour nga ñëw groupe et je pense aussi l'autre mesure qu'on doit prendre moi avant le match après le match il n'est plus question que joueurs yi di nuyu li nga xam ne muy ngay staff dara wala avant le match Idrissa Gana ngay ñaanaluñ ko li am mais bo leen setlo image bi am ba Sénégal de jouer contre euh, Zimbabwe ba ñu dugg gis naa ben moment muy accolade ñen ñi je pense que aussi c'était une bonne guerre mais yoy nañ koy éviter au niveau de l'équipe nationale du Sénégal maintenant ce qu'il faut savoir c'est que aussi la fédération pour moi elle est assez avertie ba lu ñu mel su naree am ñom ils vont prendre toutes les précautions et a Hadji aussi mom xam na né bu bëggee jege Lions yi il faut aussi mu defaat test spécial alors si nee il est prêt à prêter ses lunettes à Kaba Diawara ndax Kaba Diawara gis ngeen euh, polémique bi fi amone mais Kaba Diawara s'est exprimé aujourd'hui nee ce qu'il a dit bëggul woon wax loolu gars yi ñoo waxul na Sénégal dafa do tricher peut-être gars yi ñoo contexte am moom dafa né d'abord li ëpp solo Sénégal c'est l'équipe favorite et que fait de jeu bi am ci match Sénégal Zambie mun na am si Guinée Malawi et que Guinée yi dañoo waroon gagner match bi ci biir terrain bi donc ce qu'il a dit néna na xam na match derby la mok Aliou Cissé c'est une amitié de longue date il respecte le Sénégal parce que c'est un pays voisin mi ngi jéggalu bu fekkee ne cadeau yoy noonu ça a été mal vu ou mal interprété ce qui est sûr que la Guinée et le Sénégal restent des pays voisins que le meilleur gagne yalla na Sénégal gagner ça va jouer sur le terrain. En tout cas, les gars, abonnez abonné, continuez à liker, continuez à vous abonner, continuez à laisser vos commentaires. Agrandissons la famille e-Sportive, parce qu'il y a des nouveautés qui vont venir. y a une nouveauté qui toujours vous satisfaire. Guy, ça se passe ici avec un immense plaisir. Dia, Gen Jeff.